Thank <laughs> you. Toujours dans votre acte du jour du 25 juin 2024, jour J-4, nous le grand rendez-vous du Zénith de Paris avec le label Tsubatel et Arissa Musique de Paris. Nous avons rendez-vous pour une rencontre inédite avec l'artiste Sidi Diop, l'homme qui décapite la merveille partout où il passe à travers euh, les scènes nationales, africaines et internationales. Pour la première fois, Sidi Diop va poser ses pieds sur la scène du Zénith pour marquer une autre étape de sa vie dans la musique et plus particulièrement dans la carrière artistique et culturel Sidi Diop à Paris le 29 juin Demain, bëgg cette cette extrait vidéo yi kooka la à Paris de préparer? li nga xamante moi? cet événement majeur qui se tiendra ce samedi 29 juin au Zénith de Paris à partir de 18 h le 29 juin bi Sidi Diop au Zénith de Paris man le la def parrain bi léegi laa ak délégation ñu waxtaan fi waxtaan yu am solo macha allah Sidi mii ma gis kon le 29 juin Zénith de Paris Sidi Diop wax kon ñoo do vidéo premier encouragement muy kan le parrain Youssou Ndour accueillir ki nga xamanteni moy Sidi Diop lancer un message à toute la diaspora sénégalaise plus particulièrement africaine et française pour que ñu ñew soutenir ki nga c'est le sénégalais qui monte au créneau le 29 juin foofu ci Zénith de Paris moy li may wax rek le ñak le rombatale ci la ku wul Zénith bi suñ la ko nettalee loolu la ya yaa ko teg sabab daw leen légui jëndi sen ticket sur tous les points de vente yo xamanteni ñing ko tek foofu Paris muy Afro Baye Café Touba 18e restaurant Paris Dakar Bour Tabarale et Mouy muy Taco Afro Fofoche chez Château étoile d'Afrique Kepko koo xamante ni bëgg nga jënd billet ticket debout c'est à 35 euros pour les tickets VIP et assises dem leen ngeen commandé Fonak ticket net Auchan fépp foo dem ticket di Italie wa Espagne wa Belgique ou euh, Hollande Wa Norvège Wa Suède ñoom ñëpp a fay daje États-Unis préparé nañ ko Atlanta Ahmed Fofana nena parena, Kepko na Dalian, koo fofu New York Las Vegas Washington. Washington dañuy wàcc Paris muy un rendez-vous di benn tàkkusaan boo xamante ni au Sénégal lay doon plus particulièrement au Afrique kuñ ci andal label Subatel de Matar Diop Subatel ak ki nga xamante ni moy Arisa Musique avec Sidi Diop le rendez-vous est déjà pris c'est jour J 4 daw les légui jënd ci le spectacle va commencer à partir de 18h jusqu'à 23h avec d'énormes surprises Pape Diouf sera de la partie Viviane de la partie Youssou Ndour de la partie Wali Balagosek de la partie. Et je vous dis, Sidi Diabaté sera de la partie. Même Dadiou sera de la partie ce 29 juin à Paris, aux Zénith, avec le rendez-vous du spectacle inédit avec Tidi Diop, la Belle Soubatel. Je vous donne rendez-vous le 29 juin à Paris à partir de 18h. Damane Dawlen de Djedi Sentiken, Paris Yongoula, Sidi Diop actuellement à Il faut une répétition. répétitions. 5 étoiles par nañu ñëpp Paris il tourner. tourner. leen seen robe salon VIP chez Pape Samba su ngeen amul ticket mi e arrondissement dama partout à Paris on vous vend votre ticket ngeen jënd le 29 inch'Allah, ngeen spectacle show inédit Sidi Diop ku ambiance la xam quatre heures de concert et je vais faire du spectacle époustouflant je ne mais Paris n'est pour la première fois Sidi Diop va ouvrir une autre étape de sa vie en passant sur le chemin de ses grands frères en passant là où Pape est passé Waliba Lagosek, Baba Mal, Viviane et Daradi Family c'est autour tour de Sidi Diop le 29 juin au Zénith de Paris rendez-vous à partir de 18h-19h le show va commencer Paris dina Thank you.